waaw Kubanaw waaw toujours Kubanaw rek la ñuy wax ci mbirum kankurang ci mbirum Fambondi lu ñu mënul comprendre mooy mooy ati yi yëpp toujours Kubanaw dafay am enseignant yi ñuy agressé ci affaire Fambondi ci affaire kankurang ren ci vendredi bi ci bi bi passé mu am ay nit ñu jóg ci guddi dox ci kër enseignant

ñaawlu loolu ñaawlu euh, li ñuy yàq kër enseignant bu Kobano menacé ko loolu kenn mënu ko ko ko ko bàyyi noonu parce que li ñuy def guddi nit ki toog ak famiyam ñu fekk këram yàq këram menacé ko yàq alalam loolu yëpp ci ginnaaw turu Kankourang ñun li ñu bëgg mooy autorité région bi ak autorité euh, département Nous avons ci mesure mesures pour que loolu mën a dàq suñ ko mënul ah ñu yaakaar école mënatul continuer parce que jàpp nañ tant que autorités yi jëluñu mesure yu yu yu yu concrète jàngale am ci dëkk ont ba beneen yoon ci département bi ñu ñun lancé nañu plan d'action de grève de 72 heures bi commencé le mardi 15 novembre pour que l'autorité ait une décision mën arrêter les oui Kubaanoo encore Kubaanoo toujours Kubaanoo nous ne comprenons pas les agissements des populations de Kubaanoo depuis plusieurs années envers les enseignants vendredi dernier dans la nuit une maison d'un enseignant avec sa famille a été la cible d'une attaque sauvage, planifiée et préméditée, aux allures d'une véritable charge à l'homme, orchestrée par des, personnes non encore identifiées. Pour protester et dénoncer cette énième agression contre des enseignants à Kobanon, le G7 de Bignola a décrété ce soir 72 heures de grève à compter du mardi 15 à 8 heures. Nous demandons également à tous les enseignants en service à Kobano de cesser toute activité d'enseignement jusqu'à nouvel ordre. Nous exigeons des autorités également administratives et judiciaires du département et de la région la prise de mesures concrètes est ferme contre ces actes qui persistent et de façon beaucoup plus sauvage à Kobano. Nous avons l'impression que Kobano est une république dans une autre république. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est la faiblesse que l'administration affiche à l'endroit des auteurs de ces attaques, malheureusement qui continuent.